directeur de publication à euh, personnel Wal Walfadjri ak ñëpp ñi nga xam ne seeni soppe nous, ci turu réewum Sénégal yépp la fi ñëwee ndax en tant que président de la République ku toll ni si di bu wàccee àdduna fait àdduna di nekk une perte pour toute la nation donc aussi en tant que doomu une perte pour l'islam et pour Nous remercions en outre toutes les autorités religieuses de ce pays, toutes les confréries qui nous ont bénis par leur présence et leurs prières qui ont une valeur incommensurable pour nous. Nous remercions aussi chaleureusement toute la hiérarchie de l'hôpital principal de Dakar, dont le directeur et ses collaborateurs nous ont accompagnés dans cette épreuve avec beaucoup de bienveillance. Il en est de même du personnel du service de réanimation et de celui de la morgue qui aura été d'une humanité exemplaire. Pour finir, Monsieur le Président de la République, nous voudrions dire merci du fond du cœur à tous les employés du groupe Walfadjri qui ont été sans relâche à nos côtés. Nous leur disons également merci d'être restés professionnels jusqu'au bout malgré la douleur. Ainsi, ils ont fait honneur à Sid Lamignas, dont ils sont les enfants de cœur, les fidèles compagnons, les confidents, les sources d'inspiration. De là-haut où il se trouve, il doit être fier de vous voir nous soutenir, nous guider, pleurer avec nous et surtout persévérer avec rigueur. Nous sommes une famille et allons travailler main dans la main à perpétuer ces valeurs, son œuvre avec l'ambition qu'il avait d'aller au-delà des frontières. Merci à tous les talibés et aux fans club qui, depuis l'annonce de la triste nouvelle, nous accompagnent sans répit pour les récitals de Coran et toute la logistique. C'est sans aucun doute ainsi de laminias comblé qui nous observe depuis Firdausi. Nous lui envoyons encore une fois nos prières. Vous avez beaucoup apaisé en partageant notre tristesse. Encore une fois, merci, Monsieur le Président de la République.